La soixantaine bracelet en main, Moussa Ibrahim approche délicatement les hôtes aux abords des enclos et des cages des animaux. Moussa est un artisan guide de la coopérative artisanale du musée national Boubou qui, par manque d'emplacement, exerce le métier de marchand ambulant. Il déplore le fait que les artisans, notamment ceux ambulants, arrivent difficilement à vendre leurs produits artisanaux. Selon Moussa, certains visiteurs locaux n'ont pas de quoi souffrir ces genres d'articles et d'autres y portent peu d'intérêt. Cependant, avec les touristes étrangers, il arrive à tirer son épingle du jeu. Nous attendons aussi les autres, quand ils viennent, ils nous achètent un peu pour faire des souvenirs. Mais ici, les résidents, ils ne achètent pas parce qu'ils n'ont pas d'argent. Moi, je vendais des petits bracelets des enfants en bronze, mais c'est très difficile. Des fois, on peut arriver à gagner le samedi ou dimanche. Nous, on gagne beaucoup ici avec les Européens parce qu'ils nous achètent. Ce commerce déplaît aux autres artisans qui sont sur place, mais selon Moussa, c'est la seule voie qu'il a trouvée pour exercer son commerce, bien que cela s'avère aussi dérangeant pour les visiteurs. Ils n'ont pas besoin que nous vendons les objets dans l'enclos, parce qu'ils les Ils n'ont pas parlé de ça, mais ils nous laissent faire. Sinon, ils vont mettre des objets, ils vont chercher ce qu'ils font. Parce que c'est dérangeant même à tous les gens, quelqu'un qui fait la visite. Pour mettre fin à ce genre de commerce, Moussa Ibrahim lance un appel à l'État nigérien pour l'amélioration de leurs conditions de travail et de s'investir plus pour les artisans du Niger en général et ceux du musée Boubouhama en particulier. Nous voulons que l'État nous aide sont beaucoup de choses sur le Je connais la valeur gens-là. L'État ne sait même pas si je suis guide et je fais le tapot avec un étranger. Tu vois, si j'étais là-bas, s'il y a un risque, as vie, je perdu. Parce que le fait de guider quelqu'un, pour même expliquer, tu vois, c'est quelque chose. Nous sommes des gens qui veulent aider notre pays.